Vous êtes à l'écoute des programmes euh, du studio Kalangu. Merci de votre euh, fidélité. C'est l'heure euh, du forum du studio Kalangu. Aujourd'hui, nous allons parler du thème la lutte contre le VIH-Sida au Niger, défis et perspectives. Le virus de l'immunodéficience humaine VIH est un type de virus qui peut conduire à une maladie appelée Sida c'est-à-dire le syndrome d'immunodéficience acquise. C'est une infection qui atteint le système immunitaire de défense naturelle du corps contre les maladies. Si la personne atteinte n'est pas vite dépistée et prise en charge, de graves maladies peuvent subvenir. Selon les dernières statistiques sur l'état de l'épidémie du sida dans le monde publiées par le site d'ONU Sida, plus de 37 millions de personnes vivent avec le VIH en 2020. Environ 28 millions de personnes avaient accès à la thérapie antirétrovirale au 30 juin 2021 et environ 1,5 million de personnes sont devenues nouvellement infectées par le VIH en 2020. Quelle est la situation de la prévalence du VIH-Sida au Niger. Quels sont aujourd'hui les grands défis qui se posent au Niger dans le cadre de la lutte contre cette épidémie Quelles sont les grandes perspectives de l'État du Niger pour une meilleure prévention contre le sida sur l'ensemble du territoire national Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité M. Boubou Mamoudou. Il est le directeur exécutif du réseau nigérien des personnes vivant avec euh, le VIH-Sida. Notre deuxième invité est M. Mustafa Issa Moutari. Il est conseiller à l'information stratégique à l'ONU SIDA. Docteur euh, Kampaise Mariama Baïsa, qui est chargé de programme VIH au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, OMS euh, Niger. Et enfin, Docteur Diallo Nuhu Amadou, il est le coordonnateur euh, du programme national de lutte contre le sida et les hépatites. Bonsoir, chers euh, invités, et merci d'avoir répondu présent à cette euh, invitation du studio Kalango. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Commençons par la définition du sida. Docteur Diallo du programme national de lutte euh, contre le sida et les hépatites. Quand on parle euh, du VIH-Sida, qu'est-ce que ça veut dire euh, Merci beaucoup au studio Kalangu de nous avoir donné cette occasion. Donc, pour parler du sida, en c'est le stade maladie de l'infection à virus VIH. Mhm. C'est quand le VIH évolue C'est quand le VIH évolue qu'on va vers le sida. Qu'on va vers le stade Mm-hmm. de la maladie proprement dite. Mm-hmm. Parce qu'on peut avoir le virus dans son corps et ne pas transmettre ou bien ne pas être malade mm-hmm. de, du virus. C'est ça qu'on appelle la séropositivité. Maintenant, quand si rien n'est fait à ce niveau, donc on évolue vers le stade maladie sida. Ça peut prendre combien de temps environ Ça dépend. Ça dépend non seulement du virus parce qu'il y a deux types de virus, il y a le virus 1 et le virus 2. Mhm. Donc euh, ça peut aller jusqu'à une décennie, mhm. jusqu'à une décennie pour avoir vraiment les symptômes. Mhm. Donc le stade maladie, ça suppose que vraiment euh, le virus en longtemps séjourné dans l'organisme, donc il a eu le temps d'affecter les cellules immunitaires, c'est-à-dire le système de défense de notre organisme, pour les affaiblir. Une fois que ces systèmes, ces cellules sont affaiblies, donc l'organisme sur un plan général devient affaibli mhm. et donc perd son rôle qui est vraiment de défendre un peu euh, les germes qui pénètrent dans l'organisme. Mhm. Donc c'est vraiment le stade maladie. La personne devient vulnérable la, non, la personne est non seulement vulnérable à beaucoup d'autres maladies parce qu'il n'y a mhm. plus de, défense. Les cellules qui défendent l'organisme sont affaiblies. Donc toutes les maladies que nous on appelle couramment les maladies opportunistes profite mhm. aussi pour se greffer. Et vraiment, la personne va commencer à développer des vrais signes de la maladie qui sont la fièvre, la diarrhée, mhm. la fatigue. Mais avant, il y a d'abord les stades préliminaires qui ressemblent à presque toutes les infections virales. Mhm. Ça va commencer peut-être par juste euh, une infection grippale ou bien une infection orale. Après, ça va être l'asthénie, c'est-à-dire la fatigue générale que la personne ne comprend pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça va arriver jusqu'au niveau où les, dermatoses, c'est-à-dire les maladies de la peau, mhm. vont, s'augmenter. Il va y avoir aussi des maladies que nous appelons appelle les candidoses qui peuvent aussi s'ajouter. Après, le système digestif est perturbé, la personne va avoir de la diarrhée mhm. et aussi une fièvre qui perdure, comme on appelle couramment, la fièvre devient à long cours mhm. et la diarrhée aussi s'installe à long cours. En fait, bref, beaucoup d'autres maladies se greffent et voilà nous avons donc là les symptômes qui apparaissent sous diverses formes. Mais est-ce qu'on a des chiffres par rapport euh, au taux de prévalence euh, du VIH-Sida au Niger, docteur Alors, la prévalence, euh, d'après les dernières enquêtes qui a eu lieu en 2012, les enquêtes EDSN, nous avons une prévalence de 0,4%. Donc, on peut dire que sur 1000 personnes au Niger, nous avons 4 qui portent le virus, c'est ça, docteur Voilà, exactement. Cette mhm. prévalence paraît faible, mais en mhm. réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mhm. Si on rentre à l'intérieur et qu'on essaie de répartir euh, cette prévalence à divers groupes, mhm. euh, certaines couches de la population, on va trouver qu'il y en a qui frôlent jusqu'à 10% à peu près. Mhm. Merci beaucoup. Docteur euh, Magama, du bureau de l'OMS euh, au Niger, quelle est aujourd'hui la contribution des partenaires dans le cadre de la lutte contre cette maladie au Niger Merci beaucoup, euh, Monsieur Michel. En tout cas, les partenaires sont multiples. Mhm. Nous avons le principal partenaire qui est, je vais dire partenaire financier, mhm. qui est le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme, mhm. d'accord, qui finance en tout cas euh, une part importante de la lutte contre le, VIH-Sida. Mhm. Et de, l'autre côté aussi, vous avez les agences du système des Nations Unies, dont l'Organisation mondiale de la santé mhm. fait partie. Et l'Organisation mondiale de la santé apporte essentiellement un appui technique par rapport à la lutte contre le VIH-Sida, parce que tout ce qui est directive en matière de santé, est donné, et le temps est donné par l'Organisation mondiale de la santé. Je vais dire par là, quel que soit le problème de santé, et pour son traitement, par exemple, c'est l'OMS qui dit voilà comment on doit procéder mm. d'abord pour le diagnostic, mm. voilà comment on doit procéder pour le traitement. Donc tous les schémas thérapeutiques par rapport à la lutte contre le VIH-Sida au Niger ont été des schémas thérapeutiques qui sont calqués sur les propositions de l'Organisation mondiale de la santé. Ça, mm-hmm. c'est un aspect. Donc c'est pour dire que nous contribuons à tout ce qui est normes et directives par rapport à la lutte contre le VIH-Sida. Nous contribuons aussi à tout ce qui est planification et programmation, c'est-à-dire eh, sur la base des comment ça s'appelle euh, des données du mhm. pays, nous aidons euh, le programme à faire une analyse en termes de tendance, quelle est la tendance de l'épidémie mhm. euh, au Niger et euh, en fonction de la tendance aussi, on détermine les stratégies de lutte parce que les stratégies doivent être en cohérence avec euh, les tendances, la mhm. tendance observée de l'infection au, sein de, au sein du pays. Donc, en plus de cela, bien sûr, nous les accompagnons au quotidien par rapport à tout ce qui est suivi. Et des données, mhm. par exemple par rapport à tout ce qui est renforcement des capacités des intervenants, mhm. la formation des agents de santé, par rapport soit au dépistage, par rapport au traitement, par rapport au conseil aussi, le counseling, c'est-à-dire le dépistage comme il n'est pas obligatoire, mhm. et, mais on souhaiterait quand même que tout le monde connaisse son statut sérologique. Il y a une façon euh, d'amener la personne à accepter de faire son test, c'est de donner toutes les informations nécessaires afin de la convaincre à accepter de se faire dépister. Merci docteur. Monsieur Moustapha Issa de l'ONI-SIDA. Aujourd'hui, on peut le dire de façon claire, le sida est une réalité, mais il y a des personnes qui ne croient pas euh, à l'existence de cette maladie. Que faites-vous à votre niveau pour arriver à contribuer à cette euh, prise de conscience afin que tout le monde puisse euh, accepter cette existence du VIH-Sida Merci bien Michel. Vous avez commencé dans votre introduction à donner des chiffres qui sont alarmants, ça c'est au mm. niveau mondial. Donc, euh, euh, quand on désagrège ces chiffres au niveau du Niger, nous avons environ plus de 31 000 personnes mhm. qui vivent avec le VIH, dont on a environ 21 000, plus de 21 000, 21 300 et quelques qui, sont mhm. qui suivent régulièrement les traitements. Donc, voisin de ces chiffres, on ne peut pas ignorer l'existence des sida et encore au vu des taux qu'ils ont dit, les taux de 0,4%. Donc, il faut se dire ou bien se rappeler qu'on est venu de 0,8% depuis 2002 mhm. pour arriver à ces 4% ça, veut dire qu'on euh, a évolué, on peut dire, oui, dans le cadre de la lutte contre bien sûr, bien euh, sûr. cette maladie. On est en train d'évoluer, mais mhm. ces progressions, a toujours, y a toujours des défis mhm. qui restent. Donc il faut se dire, si aujourd'hui nous sommes là dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida, c'est pour qu'on sensibilise les gens, pour mhm. dire que le sida n'a pas disparu, le sida est toujours là, ça tue à petit feu. Donc euh, les, la prévalence des 0,4 comme on, est en train de dire, ça cache beaucoup de réalités. Au sein de la population clé, ce qu'on appelle population clé, c'est les professionnels des sexes et les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et encore la population carcérale. Au niveau de ces populations, il y a là où la prévalence, on est venu de 20%. En 2002, maintenant qu'on tombe dans environ de 9% pour les populations clés. On est parti de 17,2% mmh. pour les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes à environ 6%. Mmh. Donc voyez-vous, la tendance elle va en progression, mais il y a toujours un danger qui est là on a constaté une catégorie au sein de ces cibles qui sont les jeunes, mhm. au sein duquel cette prévalence est en train de, d'accroître très lentement. Merci beaucoup. Nous avons également M. Boubou Mamoudou, qui est le directeur euh, exécutif euh, du réseau des personnes vivant avec euh, le VIH-Sida. Monsieur le directeur exécutif, les personnes vivant avec le VIH-Sida, comment ils vivent cette maladie Est-ce qu'ils ne sont pas stigmatisés quelque part Merci, Michel le RENU Plus, euh, c'est le regroupement des associations des personnes vivant avec le sida qui couvre l'ensemble du pays. Donc, euh, des Dosso, Agadez, je pense, euh, Arlit, dans mhm. plusieurs localités, quand même, nous avons des associations qui est des groupements de personnes infectées ou affectées par le vih Il faut mhm. préciser. Infectées veut dire personne qui est directement concernée, mhm. affectée quelqu'un qui est concerné de façon indirecte. Mhm. Voilà. Euh, les proches. les, les, voilà, l'un des familles. Euh, voilà, vous avez une sœur concernée, décédée. Vous avez suivi tous ces processus, vous l'avez mhm. accompagnée, vous êtes mhm. affecté. voilà. Donc, ces associations sont ouvertes aux personnes affectées ou infectés, ou mhm. personne qui est engagée dans la lutte. Mhm. Donc, ce qui fait que. Donc, ce n'est pas forcément. Voilà, pas forcément les gens qui portent. Mhm. Toutes ces personnes qui soignent, qui aident, mais ils sont ouverts. Et aujourd'hui, nous avons plus d'une trentaine d'associations au niveau national. Et il y a un conseil d'administration qui est composé de personnes directement ou indirectement concernées par le Et en dehors de ça, il y a une, une direction pour coordonner les activités. Mhm. Donc moi, j'ai la charge de coordonner les activités de ce réseau. La première perception par rapport à la stigmatisation et la discrimination, je dirais que euh, les choses ont évolué. Mhm. Quand on dit vers sida, c'est l'autre. Quand on dit vers sida, parce que la personne a fait ceci, a fait cela. Mhm. Il y a toujours ce, euh, jugement fait sur les personnes vivant avec le sida. Aujourd'hui, c'est qu'on remarque, beaucoup de travail a été fait dans le cadre de la sensibilisation pour que la population comprenne. Néanmoins, on remarque toujours mhm. que les problèmes persistent. Mhm. Les stigmatisations et la discrimination existent, mhm. que ce soit dans les milieu familial, dans le milieu communautaire, dans les services de santé, ce qui est, bizarre aussi, hein, parce qu'ils sont formés pour éviter tout ça. On rencontre cette stigmatisation. Et au-delà, il faut voir que dans certaines situations, au niveau même institutionnel, on voit cette discrimination. Mm-hmm. Euh, quand j'ai dit ça, je parle de ces dépistages qui se fait souvent sans informer la personne. Mm-hmm. Dans le cas de recrutement, on peut dépister une personne, euh, refuser quelque chose à la personne sans lui dire. Alors que le dépistage est anonyme et ah, volontaire. Et volontaire, la loi interdit ça. Mm-hmm. Vous voyez donc, c'est des problèmes comme ça sur lesquels euh, les, personnes vivant avec le sida rencontrent. Aujourd'hui, tu vas voir un jeune qui se porte bien, euh, qui n'a pas développé une maladie, hmm. qui ignore même son statut, parce que quelque part, peut-être c'est un orphelin du VIH sida, euh, il a pris des risques. En tout cas, il ne sait même pas. Hmm. Il vient, il suit un processus régulier pour être recruté dans un service. Hmm. À un moment donné, la personne est bloquée. Mhm. sans dire de quoi il s'agit. Ça crée des frustrations, que ce soit dans le corps paramédicaux, euh, dans le corps euh, de l'armée, des trucs comme ça, là, ça existe. Mhm. Et pourtant, la loi interdit. On peut vous discriminer sans que vous vous rendiez compte. Mhm. Et je pense que moi, juste j'ai croisé un jeune qui a fait tous les processus d'être recruté. À la dernière minute, on l'a bloqué parce que son résultat est positif. Ça veut dire que si le résultat est positif, l'entreprise ou la société sait déjà que ça ne doit pas être une cause euh, du rejet de la candidature de la personne. Euh, ils savent, mais ils, ils savent, mais ils ignorent ça. Ils discriminent la personne. Mhm. Voilà, de façon voilée, on ne peut pas te dire ça. Mais si la personne revient à faire des examens autres là, il saura que c'est pour telle raison. On ne vous mhm. dit pas pourquoi. Et euh, malheureusement aussi, les agents de santé aussi euh, constituent aussi des personnes qui, qui, qui font cette discrimination, qui font cette stigmatisation. Euh, comme je l'ai dit, malgré tout ce qu'ils ont reçu comme formation. Donc, un travail doit être fait à ce niveau. Mhm. Et sans compter aussi dans, dans, notre milieu de tous les jours. Je mhm. pense que, que ce soit dans la famille, même avec vous, dès que la personne parle du VIH-Sida, il montre qu'il travaille dans le milieu VIH-Sida, vous avez quand même tout de suite quelque chose à dire. C'est ça mhm. les stigmatisations. Mhm. les stigmatisations <laughs> résultent de la discrimination. Justement, par rapport à ça, quels sont vos efforts au niveau du RENIP pour mobiliser les gens à se faire euh, dépister, en particulier les jeunes, puisque c'est la tranche d'âge euh, oui, pas seulement les jeunes, les leaders de façon générale. Mhm. La première action que le RENIP a eu à faire, euh, il y a juste après sa création, hein, il y a sept ans de cela, on a mobilisé des ressources pour cibler le leader religieux. Mhm. Ils sont écoutés. Souvent, parmi eux-mêmes, il y a ceux qui parlent mal du vih mhm. de l'ignorance. Qu'est-ce qu'on a fait On a pris pendant cinq jours, on a formé ces personnes, on, les a identifiées d'abord. Mhm. Quels sont ces leaders qui sont écoutés à travers les associations, à travers les personnes concernées, on dit ah, tel, marabout, il parle. Voilà ce qu'il a dit autre là. On a fait une liste de 15-20 leaders. Et ils ont reçu une formation je vous assure, à la sortie euh, de la, formation, on a suivi les prêches. Mhm. Il y a changement dans ce qu'ils disent. Mhm. Ils ont compris beaucoup de choses. Parce que euh, ils pas certains éléments pour être bien, informés, bien, outillés par rapport à la stigmatisation et la discrimination, mhm. c'est de l'ignorance aussi qui nourrit tout ça. Donc, euh, lorsqu'ils ont compris certaines informations, je vous assure, leurs prêches ont évolué dans le sens d'acceptation, euh, d'une personne malade de façon plus Mais comment vous arrivez à convaincre les jeunes à aller se faire dépister Puisque aller se faire dépister ne veut pas dire qu'on est porteur du virus. Ce qui est fait, aujourd'hui, nous, au niveau du RENIP, on a mhm. même créé un centre communautaire de dépistage communautaire. Mhm. dans le quartier dans lequel le RENIP euh, a son siège. Mhm. Une façon d'inciter les jeunes de faire de autres là, venir faire le dépistage. Parce que de vue, on ne sait pas qui est infecté, qui ne l'est pas. Et chacun peut appuyer un risque. Aujourd'hui, nous avons une génération mhm. des adolescents qui mhm. sont nés de VIH-Sida, qui ont perdu leurs parents, mhm. qui vivent avec. Ils sont nombreux. Et ils n'ont rien fait. c'est pour juger là. Ils sont nés, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Des parents qui sont décédés, on prend les enfants, on les positionne chez les grands-parents, dans les villages autres. Ils ne savent rien. Ça grandit, ça grandit, ça commence à tomber malade. Et puis voilà. Donc il y a plein on peut dire des préjugés. Des préjugés par mhm. rapport euh, au, VSIRA, mhm. sur lesquels nous travaillons avec des formations. On fait mhm. des formations aussi de jeunes leaders, des jeunes de FADA. nous avons aussi des leaders du RENIP qui font des témoignages pour parler du VSIRA. Des gens qui se forcent très bien, qui parlent du VSIRA, avec des groupes de jeunes pour les amener à se dépister. En se disant que le dépistage, c'est la porte d'entrée, comme l'a dit l'autre. Sans ça, on ne pourra rien faire. Merci beaucoup. Docteur Gallo, coordonnateur du programme national de lutte contre le sida et les hépatites euh, au Niger. On a vu euh, toutes ces difficultés, tous ces problèmes. Aujourd'hui, s'il faut parler d'avancées, quelles sont les avancées réalisées au Niger dans le cadre justement de la lutte contre cette maladie Ok, je vous remercie encore une fois de plus. Mhm. Effectivement, étant le représentant de l'État, l'État, pour vous dire, n'est pas resté bras croisés. Mhm l'État a pris des mesures, c'est-à-dire l'État, le ministère en charge de la santé publique, de la population et des affaires sociales, a adopté des mesures pour préserver les personnes vivant avec le VIH sur toutes les formes de discrimination et de stigmatisation liées au VIH et au risque de transmission du VIH. Quelles sont ces mesures justement Alors, euh, la protection, il y a même, il y a même, justement. il y a même justement une loi, la loi 2015-30 du 26 mai 2015, qui est relative à la prévention, à la prise en charge et au contrôle du virus du de l'immunodéficience et de son décret d'application du 6 janvier qui proscrit, mhm. du 6 janvier 2017 qui proscrit toute forme de discrimination et de stigmatisation à l'endroit des personnes vivant avec le VIH. Quand on dit proscrit, ça veut dire quoi Tout individu qui se sent discriminé ou stigmatisé mhm. a le droit de porter plainte. Et quand on fait le test, on doit avoir aussi l'honnêteté, puisqu'on a demandé de faire le test et qu'il a accepté, on lui donne son résultat. Et on ne doit pas le laisser dans la nature, on doit aussi le conseiller ou bien l'indiquer à des endroits où il peut aller pour être pris en charge. Parce que maintenant, le sida n'est plus une fatalité. Mhm. Les gens vivent bien avec le sida. Les gens vivent bien avec le sida. C'est devenu comme n'importe quelle maladie. Il suffit de prendre ses ARV, mhm. ses, traitements, comme l'a conseillé le médecin, et faire le suivi biologique, c'est-à-dire faire des prélèvements de sang régulièrement pour voir le niveau de virus dans le sang qu'on appelle la charge virale jusqu'à à un moment la charge virale devient même indétectable. Ça veut dire que cette personne a le sida, il ne transmet pas le sida. Mhm. Il y a des couples maintenant qui sont là, un a le sida, l'autre n'a pas. Mais pour ça, il faut le dépistage. Mais tout est dépistage. C'est de ça, on voit parfois certaines femmes enceintes, pour ne pas dire toutes les femmes enceintes, en tout cas, qui se font consulter on voit au niveau de leur carnet, il y a une partie réservée au VIH-Sida. Exactement. Cette activité au niveau de la consultation des femmes enceintes, ça, ça s'appelle la PTME. Mhm. C'est-à-dire on essaie de faire une protection de la transmission de la mère à l'enfant. Mhm. Ça veut dire quoi Si ces femmes qui viennent pour des consultations prénatales, c'est-à-dire avant l'accouchement, il sera nécessaire, c'est même dans leur bien, mhm. de faire ce test pour savoir si ils ont le virus, elles ont le virus ou si elles n'ont pas le virus. Mhm. Si elles ont le virus, des mesures vont être prises aussitôt mhm. pour que cette femme soit protégée. D'abord que cette femme même soit protégée parce qu'elle ne mhm. va pas évoluer au stade maladie et aussi que l'enfant qui va naître soit aussi protégé. Donc vous voyez, c'est un double gain pour les femmes et il faut que les hommes comprennent ça qu'ils acceptent à leur femme de faire ces tests. Ça ne coûte rien. Mhm. Ça ne coûte rien. Les gens pensent que c'est par des mauvaises pratiques seulement qu'on peut attraper cette maladie. Non. Mhm. Non. On peut même, euh, à travers certaines actions, on peut se faire, par exemple, piquer ou couper mhm. par un objet tranchant, souillé et qui est infecté, ou bien qui a été utilisé, par exemple, le personnel médical. Un personnel médical peut se faire infecter sans savoir malgré que des mesures sont prises ou bien des directives sont données aux, praticiens pour savoir mhm. comment il faut faire pour ne pas se faire piquer mhm. ou bien pour ne pas se faire contaminer par des objets qu'on utilise. Mhm. Voilà, donc je pense que ces mesures-là sont là. Donc on ne peut pas dire forcément que celui qui a le VIH, comme il l'a dit, a eu un mauvais comportement, forcément, non. Mais ce qui est bien, que vraiment que les gens cherchent à avoir leur statut. Ça ne coûte rien du tout, c'est un test gratuit c'est anonyme, c'est volontaire et c'est confidentiel. Même si tu es en couple, si tu ne veux pas que ta femme ou bien ton mari soit informé, on n'a pas le droit de les informer. Donc ça reste entre toi et le personnel de la santé. Ça veut dire les femmes qui partent euh, au niveau des centres de santé, des formations sanitaires, c'est ça le principe On les, fait ce qu'on appelle, il y, a, il, y a, mm-hmm. il y a toute une petite science derrière qu'on appelle, euh, cest une sensibilisation qu'on appelle spécialement le counseling. Mm-hmm. À travers ce counseling-là, on donne à la femme tous les détails mm-hmm. de ce qu'on veut lui proposer et les avantages pour non seulement elle, souvent quand on s'arrête à ça, les femmes sont un peu sceptiques. Mais quand on les dira, les avantages aussi qu'elle trouvera pour son enfant qui pourra naître sans la maladie, Allah, vous voyez que beaucoup de femmes coopèrent. Est-ce que c'est effectif aujourd'hui euh, Malheureusement, malheureusement, n'est pas effectif, mais mhm. beaucoup de pas, beaucoup de pas ont été franchis. Ce mhm. C'est pas comme au début des premières années où il y avait beaucoup de réticents, mais maintenant vraiment, on peut dire que les femmes sont en train de vivre, mais ça ne suffit pas. Mhm. Et pour vous dire, ce n'est pas seulement au niveau des femmes. Maintenant, on l'a dit, hein, il y a la jeunesse, mhm. maintenant qui commence à être une cible un peu dangereuse pour nous parce qu'au sein de la jeunesse, la tendance est en train de monter. Mhm. Donc, il faut vraiment qu'on freine ça. Donc, euh, comme eux, ils, font des actions, au niveau de l'État aussi, au niveau du programme, on fait des actions ciblées au niveau des jeunes. C'est-à-dire, on choisit mhm. comme il serait mieux qu'entre eux, ils se parlent. C'est ce qu'on appelle la communication des pères. Donc, entre eux, qu'ils se parlent c'est mieux qu'un jeune parle à un jeune, parce que mhm. quand un adulte parle à un jeune, souvent, la, communication est plus Est-ce qu'il y a d'autres progrès qu'on peut noter ici Les progrès, ça ne mhm. finit pas. Si je me mets à les ici, je crois qu'on ne va pas finir, mais il y en a beaucoup. Je mhm. peux juste vous donner quelques-uns. Par exemple, il y a l'adoption de la politique de décentralisation de la prise en charge que l'État a initiée, qui a permis de passer de, de 36 sites prescripteurs à 132 prescripteurs sites prescripteurs en 2020. Mhm. Vous imaginez de 36 à 132 sites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes vivant avec cette maladie sont mieux prises en charge En tout cas, ils ont l'offre. Ils, ils, ont l'offre. Des différentes régions ils ont jusqu'au niveau des communes. Jusqu'au niveau des communes, il y a des structures qui sont là pour les faire leur prise en charge. Mhm. Il y a aussi des stratégies qui sont développées. Mhm. Avant, quand on testait la personne, on se basait sur certains trucs euh, pour euh, certaines valeurs biologiques pour pouvoir commencer le traitement. Maintenant, ce n'est plus le cas. On demande de celui qui est testé aussitôt qu'il soit traité. Mhm. Donc vous voyez, ça ne laisse pas le temps à la maladie de d'évoluer par négligence, soit de la, du personnel de santé ou de, de l'intéressé lui-même. Aussitôt détecté, on vous met déjà sous traitement. Donc ça, c'est vraiment. Mais est-ce que c'est gratuit tout le traitement, tous les médicaments Le traitement est gratuit. Le, traitement est gratuit. Les, antirétroviraux sont disponibles. les antirétroviraux sont disponibles. Mhm. Vous savez, dans toute chose, il y a des hauts et des bas. Mhm. Il arrive souvent à avoir des situations un peu tendues, mais n'empêche que vraiment c'est disponible. On fait, on prend toutes les dispositions nécessaires, même si c'est à notre niveau qu'il y a la rupture on a la facilité ou bien la, possibilité mhm. d'emprunter au niveau des pays voisins. Mhm. Comme eux, pareillement, s'ils ils sont en crise aussi, ils viennent vers chez nous pour demander si on peut les traiter et on peut les donner quelques euh, mhm. pour les dépanner. Donc voilà. Et l'autre côté, c'est aussi le, le, bilan biologique. Parce que quelqu'un qui prend ce traitement, il est nécessaire qu'il soit régulièrement suivi par le, personnel de la santé, c'est-à-dire qu'il vient régulièrement au niveau des structures de la santé, qu'on lui prenne le sang, qu'on lui regarde la charge virale, mhm. comment pour voir même l'évolution du traitement. Mhm. Parce que souvent, les traitements, c'est des lignes. Tu peux ne pas bien répondre à tel traitement, donc on va te passer de la première ligne, on peut aller à la deuxième ligne, des trucs comme ça. Mhm. Donc c'est mieux que, il ne suffit pas de prendre les médicaments et aller disparaître dans la nature, non. Il faut prendre les médicaments, les consommer et revenir au rendez-vous que le personnel de la santé ou bien que les structures euh, comme le programme conseil de faire dans la prise en charge. Merci beaucoup, docteur. On vous a bien compris. Vous êtes le coordonnateur, je le rappelle, du programme national de lutte contre le sida et les hépatites au Niger. On a parlé des difficultés, mais également des préjugés qui entourent le VIH au Niger. Certains leaders religieux acceptent de faire la sensibilisation. Je propose d'écouter Sheikh El Haji Umoru Mahamman Bashir. Il est le président de l'Alliance des religieux pour le développement socio-éducatif, économique et sanitaire. Il est au micro du studio Kalangu. Nous adhérons à la, lutte contre le, le, le VIH-Sida à travers des sensibilisations qui sont menées dans un cadre religieux, parfois à travers nos différents prêches et parfois à travers euh, les sermons de vendredi que nous menons. Aussi à travers les occasions annuelles telles que la journée du sida euh, et bien d'autres occasions qui nous permettent aussi de développer ceci. Alors ces méthodes de prévention, il y a d'autres qui sont directement acceptées par l'islam telles que l'abstinence et les, actions à risque parce que la jurisprudence islamique nous parle de la prévention. Alors pour pouvoir le comprendre, je pense qu'il nous faut des outils de communication. Alors mon message va à l'endroit de tout les religions monothéistes et les autres religions traditionnelles aussi, de bien vouloir adhérer à notre idée afin de pouvoir ensemble euh, sensibiliser la population et en parler. Quelle réaction donc, euh, Monsieur de l'ONU SIDA à partir euh, de cette intervention de Cheikh Bachir aujourd'hui, s'il faut parler de difficultés et obstacles à la lutte contre le VIH/SIDA au Niger, quelles sont ces difficultés et obstacles Ok, merci euh, pour réagir vraiment à ces propos très édifiants du Cheikh Bachir. Mhm. Euh, il faut se rappeler que euh, la lutte contre le VIH-Sida, c'est une lutte multisectorielle et multi-acteurs. Donc, du coup, l'ensemble des acteurs de la société civile, des religieux, en plus des partenaires techniques qui sont en, train d'apporter leur, leur soutien. Donc mhm. l'adhésion de tout un chacun est vraiment nécessaire dans la lutte. Dans le cadre de cette journée mondiale de lutte contre le sida qui est célébrée le 1er décembre, mhm. Nous avons comme thème dédié à cette journée mettre fin, aux, inégalités. Mhm. mettre fin au sida. Donc, pour se dire que les questions des inégalités, là, ils sont de plusieurs ordres. Mhm. Ça il y a des questions, il y a des inégalités d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre culturel et même d'ordre juridique. Mhm. Si aujourd'hui, nous avons tous ces acteurs sont en train de sensibiliser les gens et cette journée, c'est un forum auquel on profite pour sensibiliser les gens sur les informations que le sida existe, sur le développement de la science par rapport à cette lutte. Pour euh, encore euh, que les PVH, les personnes vivant avec le VIH ou affectées, donnent leur témoignage. Donc mhm. on profite pour partager les informations et mobiliser tous les acteurs. En fait, il y a l'ignorance qui est autour de ça. Si aujourd'hui les religieux acceptent de parler et acceptent de faire cette sensibilisation et ils voient ça de ce côté, je pense que c'est une grande contribution pour qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Les obstacles sont donc euh, toujours là. Votre collègue du RENIP a parlé par exemple de la question du dépistage. Vous dites qu'il faut faire adhérer tout le monde. Comment convaincre un jeune qui n'a pas pris de risque aujourd'hui à se faire dépister Je pense que l'appel qu'on est en train de faire à tout le monde, c'est que tout le monde aille se faire dépister. Mhm. Donc nous avons, nous, à notre niveau, à l'UNICIDA, on élabore une stratégie qu'on appelle les 390. Mhm. Maintenant, avec euh, la nouvelle stratégie mondiale à partir de 2021, on est parti aux cibles de 3,95. Donc, qu'est-ce que signifie ces cibles de 3,95 pour que toutes les personnes vivant avec le VIH, qu'on puisse dépister 95% de ces personnes, qu'ils connaissent mhm. leur statut, parce qu'on suppose qu'on doit éviter la séro-ignorance. Tant qu'on ne connaît pas son statut, on ne peut pas se mettre sous traitement pour arriver euh, au stade de, de, charge virale indétectable. Donc le deuxième 90, c'est 95, qu'on puisse mettre 95% de ces personnes sous traitement mhm. et pour qu'enfin, que 95% de ces personnes sous, sous, traitement. Ou ce n'est pas encore le cas. Donc mhm. j'allais dire, c'est ça les cibles, mhm. c'est ça les besoins, c'est ça l'idéal qu'on voulait arriver à ce stade. Mais on est en retard. Si aujourd'hui on est en retard, cela n'est pas imputable à soit un manque de connaissances quelque part ou un manque d'outils, outils, mais lié à des inégalités. Toutes les questions des inégalités, là, des stigmatisations, des discriminations nourrit ces gens. Mhm. Tout à l'heure, le coordinateur a parlé, les, les, traitements sont gratuits. C'est gratuit, mais qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne partent pas se faire traiter mhm. Quand on prend l'exemple au niveau de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, la PTME, dont le coordinateur a déjà détaillé ça, environ moins de 50% de ces femmes sont sont sous traitement on n'a pas 50% des femmes qui sont sous traitement. Et les femmes, les enfants qui naissent de ces femmes, on a plus de 40% de ces enfants mhm. qui sont que 40%, j'allais dire, environ 40% qui sont sous traitement. Donc, voyez-vous l'écart. Mhm. On doit apporter ces gens à s'efforcer de dépister tous et à tous se mettre sous traitement. Merci beaucoup, docteur Magama de l'Organisation mondiale de la santé OMS Niger. Avoir zéro infection de VIH/SIDA au Niger, est-ce possible euh, Merci Michel pour cette question euh, mm-hmm. très pertinente et importante. Mm-hmm. Et comme vous le savez, au plan euh, mondial, hein, mm-hmm. les dirigeants de, des pays du monde entier se sont engagés justement à éliminer le VIH/SIDA comme problème de santé publique d'ici 2030. Dans le cadre des ODD dans les cadre des objectifs de développement durable. Mhm. Donc c'est important. Des stratégies euh, à haut impact sont là, elles sont connues de tous. Les programmes sont en train de les mettre en place. Et, Dieu merci, euh, la tendance est à montrer que euh, d'ailleurs la prévalence a tendance à baisser mhm. au sein de la population générale. Et même quand vous prenez les sous-groupes que nous considérons comme étant les sous-groupes qui transmettent le plus l'infection, la tendance est à la baisse à ce mhm. niveau-là. Le nombre de nouvelles infections a beaucoup diminué ces derniers temps mhm. euh, au Niger. Donc, si nous renforçons euh, ces stratégies-là, nous pouvons en tout cas euh, être sûrs de dire que nous sommes sur la bonne voie pour arriver à vers zéro nouvelle infection. Mhm. Euh, mais des défis persistent, bien mhm. sûr. Et quels cette sont ces défis, justement Cette question, justement, euh, de, gestion de la prévention de la transmission de l'infection de la mère à l'enfant, c'est important euh, qu'on essaie de dynamiser mhm. ce programme-là au plan national pour que toutes les femmes enceintes qui se présentent au niveau des formations sanitaires puissent être suffisamment sensibilisées, accepter de se faire dépister. Parmi elles, celles qui sont séropositives doivent être aussi systématiquement mises sous traitement parce que euh, nous avons adopté la stratégie de dépister et traiter afin justement de minimiser le risque de transmission de l'infection aux enfants. Parce que sinon, c'est des, des générations futures que nous allons sacrifier. Euh, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, il y a des jeunes euh, qui naissent avec l'infection à VIH-Sida sans être responsables de quoi que ce soit. Mhm. Donc, c'est vraiment des, générations que nous devons protéger en mettant euh, l'accent justement sur cette prévention de la transmission de l'infection mère à l'enfant. Donc, c'est important que tous ensemble, gouvernement, partenaires, nous nous mettons ensemble pour renforcer cette PTME-là au plan national qui, à mon sens, aujourd'hui constitue mhm. l'un des principaux défis. La question aussi euh, de l'accessibilité au traitement, c'est une très bonne chose. Nous sommes à plus de 100 et quelques sites prescripteurs d'ARV, mais nous devons faire encore mieux pour arriver à ce que, euh, en tout cas au niveau de chacune des formations sanitaires, là où le PVVIH a été dépisté, qu'il mm-hmm. puisse bénéficier de son traitement. Parce que l'une des raisons euh, de, de l'échec de la lutte, c'est euh, le fait que, euh, par exemple, quand la personne est connue séropositive et qu'elle ne puisse pas accéder à son traitement là où elle a été dépistée, mhm. qu'il va falloir lui demander d'aller dans une autre formation sanitaire, une autre ville ou quelque chose comme ça, mhm. pour accéder à son traitement. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Et nous savons que euh, à travers les statistiques nationales, nous nous attendons à avoir 35 000 personnes vivant avec le VIH. Malheureusement, nous avons pu dépister et mettre sous traitement 21 000. Donc il y a un gap qui est là, qui est de 8 mhm. 000 personnes qui sont dans la nature entre gris et qui continue à propager l'infection. Parce que toute personne qui est mise sous traitement, mhm. à partir d'un certain moment, quand le traitement est bien conduit, la quantité de virus dans son sang est réduite au maximum, mhm. ce qui fait que ça fait office aussi de prévention. Cela veut, dire que, même à un moment donné, la personne ne transmet plus en la tout cas, Elle, ne transmet plus euh, la, maladie. Le risque est complètement minimisé. Quasiment il nul. En plus il est quasiment nul parce que le risque zéro n'existe pas en, toute chose, mhm. mais il est quasiment nul. Donc c'est important que toutes ces personnes-là, qu'on mette l'accent sur le dépistage justement pour pouvoir les identifier et les traiter efficacement afin de pouvoir tendre à à cet objectif-là de zéro nouvelle infection euh, d'ici 2030. Merci beaucoup, Monsieur Boubou du réseau des personnes euh, vivant avec le VIH-Sida. Euh, de quelle assistance ont besoin aujourd'hui toutes ces personnes qui vivent cette situation et qu'est-ce qu'il faut faire de votre point de vue pour améliorer la lutte contre le VIH au Niger Merci. Aujourd'hui, quand vous partez dans un centre de santé, vous allez dire que vous avez le palu. Vous mm. sentez ça vous revenez à la maison, j'ai pas lu. C'est ça, non J'ai fallu. pas lu. Mmh. J'ai tension. Mais est-ce que si c'est le HIV, la personne ne dira pas Aujourd'hui, dans le cadre du traitement, tu vas voir une personne quitter Niamey pour aller jusqu'à Tawa, Zender, pour prendre son traitement. De la même façon, tu vas voir une personne quitter Agadez pour venir Niamey prendre le traitement. C'est une souffrance. Vous voyez ce que je suis en train de dire Pour dire que les et la discrimination. Mentale, et parce que tu as euh, mmh. peur d'être indexé. Tu as peur d'être indexé. Mhm. Ça veut dire que si la population met fin à cette stigmatisation, ça facilite voilà. Tout ce qu'ils sont en train de dire, mhm. s'il n'y a pas un environnement moins stigmatisant, on ne pourra pas réaliser. Mhm. Aujourd'hui, combien de personnes vous connaissez autour de vous qui peuvent être des séropositifs Est-ce qu'ils ont eu le courage de vous parler Non. On a vu au plan mondial des leaders, parfois même des chefs d'État, qui expliquent que leurs euh, enfants sont morts mais du VIH. Oui, il y a eu ça. C'est ce qui a, révolutionné les esprits. De conscience. Oui, c'est ce qui a mhm. révolutionné. Est-ce que c'est le cas du Niger ah, Il y a des soucis à ce niveau. Mhm. Aujourd'hui, nous, ce que nous cherchons, c'est le leadership de ces personnes qui viennent parler du VIH. Voilà. Si on arrive à faire ça, on va diminuer cette stigmatisation, on va rendre les choses plus faciles pour tout le monde, mhm. on va inciter les gens allez se dépister, que ce mhm. soit des leaders euh, médiatiques ou autres, là, des gens connus, de de venir pour dire mhm. non, moi aujourd'hui je suis séropositif, je suis mon traitement mhm. et je n'ai pas de problème, je n'infecte pas mon partenaire, mes enfants peuvent naître sans être infectés. Voilà des messages positifs sur lesquels on doit revenir. C'est des engagements que nos chefs d'État ont pris. D'ici 2030, on met fin au vih C'est possible. Aujourd'hui, il y a moins de moyens des ressources par rapport au VIH-Sida, il faut le dire. Le président du RENIP, euh, Al-Hussein Meiga, lors de, la journée de lutte contre le sida, il a dit devant les autorités qu'il y a des soucis. Mhm. Les choses ont diminué, parce que les ressources ont diminué. On a confié les choses aujourd'hui au ministère de la Santé, qui est 100% responsable de la lutte contre le sida, il faut le dire. Avant, il y avait une autre institution euh, rattachée à la présidence qui coordonnait la réponse du VIH au Niger. Il faut améliorer tout le système. Il faut améliorer. S'il faut même aller vers euh, des États, des, uh-huh. États généraux par rapport pour trouver la solution, pour aller vers ces engagements qu'ils ont déjà signés. 2030, fin VIH uh-huh. sida, c'est possible. Ils sont nombreux aujourd'hui uh-huh. qui, qui, se cassent pour prendre les médicaments, qui se cassent pour aller prendre les médicaments pour prendre ça, il faut s'isoler. Mhm. Personne ne sait. Tu ne peux pas partager l'information. Tu crains qu'on te fait du jugement. fois par jour le médicament Non, aujourd'hui, les médicaments, y a évolué, qu'on prend une seule fois par mhm. jour. Par euh, jour. avant, deux fois. Avant, c'est de l'eau de médicaments, prendre 12 comprimés, 15. Tout ça, là, aujourd'hui, la prise, quand même, c'est moins compliqué. Aujourd'hui, il y a mhm. même des molécules que les gens peuvent prendre. Euh, pour tout le mois, par exemple. Voilà, dans certains pays, on a commencé. Hein, donc, euh, pour ça les facilite les choses, mais nous, on n'est pas arrivé à ça. On n'est pas arrivé à ça. Mais ce mm. qu'on veut maintenant, c'est inciter les gens mm-hmm. à se dépister, à accepter que ça existe, mm-hmm. à avoir des messages positifs. Et faire l'effort de prendre Faire l'effort parce qu'on peut aller vers la fin du VIH. Merci beaucoup. Docteur Gallo, nous terminons ce forum du studio Kalango. Nous n'allons pas terminer sans donner des conseils quand même par rapport euh, au VIH, SIDA, les stigmatisations, les discriminations et tout ce que nous avons. Si la personne suit régulièrement tout ce qu'on lui dit, le mm-hmm. traitement, le suivi médical, il peut avoir la même longévité que quelqu'un qui, n'est pas malade. Mhm. On peut dire qu'il y a les accompagnements des uns et des autres, mais que c'est encore insuffisant. On peut toujours augmenter. Mhm. C'est-à-dire, on ne doit mhm. pas considérer cette maladie-là comme un tabou. Mhm. Ça doit être considéré comme n'importe quelle maladie. Et quand la stigmatisation diminue, les gens ne verront pas de cette maladie une honte. Ils vont aller spontanément se faire dépister. Et quand ils se font dépister, il y a le traitement. Merci, Monsieur Mustapha. Des gestes simples qui sauvent contre le sida. On voit des affiches euh, au niveau des établissements scolaires les modes de transmission, de prévention rapidement par rapport à ça. De transmission, j'allais dire, il y a les, les, les, comportements à moindre risque, cela est bien défini. Nous, ce qu'on peut faire, on peut passer tous ces messages à travers euh, un appui qu'on peut apporter à l'État, à travers le programme, comment on mhm. peut financer, faire des activités faire des sensibilisations adaptées à l'évolution de la science, à l'endroit des cibles encore, là où on peut avoir des hauts impacts. Mais il faut se toujours, il y a toujours une question de défi. Si aujourd'hui, la réponse contre le VIH, les gens sont parce que c'est, il y a un peu de soucis, c'est parce qu'il y a le financement qui se raréfie au niveau des partenaires mm. techniques financiers Donc, le défi, c'est le, le, financement national et domestique. Je mm. pense que la partie nationale doit encore prendre ça comme étant priorité, comme l'autre l'a dit. Il ne faut pas qu'on met ça au sévérant. Hein. Mm-hmm. On doit redoubler davantage en termes de. L'État du Niger doit, faire, en priorité oui, pour faire ça, une priorité et, et, financer de plus, en plus de ce que les partenaires sont en train de faire. Mhm. Au niveau de, des aspects techniques, aspects financiers, l'État doit encore mettre beaucoup plus la main dans la poche, comme on l'a dit. Merci beaucoup, docteur Magama. Votre mot pour terminer, un appel si vous en avez. Oui, l'appel, en fait, euh, c'est juste pour compléter euh, ceux qui mhm. m'ont précédé par rapport à la prévention. Mhm. Euh, la lutte, elle est institutionnelle, mais elle est aussi individuelle, c'est-à-dire au niveau de chaque, citoyen, chaque citoyen, personne peut contribuer doit de comportement à moins de risque par mhm. rapport justement à cette, à cette infection à VIH-Sida. Mhm. Nous savons qu'il y a trois voies de transmission. essentiellement, d'ailleurs, pour, euh, euh, nous, pour tout le monde, on va même résumer ça à deux voies essentielles, mhm. la voie sanguine et la voie sexuelle. Mhm. Par rapport à la voie sexuelle, l'abstinence, donc pour les jeunes qui n'ont pas de rapport sexuel, ceux qui ont commencé à avoir des rapports sexuels, la fidélité, couple du, couple. du hein. couple, légalement mhm. marié, mais il faut que les deux partenaires connaissent leur statut sérologique, qu'ils soient tous négatifs. En ce moment, euh, ça peut protéger. Et maintenant, pour les autres qui ne peuvent pas être abstinents, qui ne peuvent pas être ah, fidèles, il y a l'utilisation du préservatif. Maintenant, pour la voie sanguine, c'est tous les gestes de la vie quotidienne mhm. auxquels nous nous adoptons. Se faire couper les ongles, euh, par un coupeur euh, d'ongles ambulant. Mhm. Il faut qu'on s'assure que le matériel qu'il utilise pour couper nos ongles est un matériel qui a été sécurisé, c'est-à-dire désinfecté mhm. à la base. Donc il faut que nous prenions garde. Nous sommes au terme de ce forum qui a eu pour thème la lutte contre le VIH-Sida au Niger, défis et perspectives. Nous avons compris donc que le VIH-Sida est une réalité au Niger. La prévalence est de l'ordre de 0,4%. Ça veut dire qu'en République du Niger, sur 1000 personnes, 4 personnes sont des personnes qui portent le VIH-Sida. Heureusement, la bonne nouvelle pour toutes ces personnes, c'est qu'elles peuvent être bien prises en charge car les médicaments sont gratuits. Mais le seul problème que nous avons, c'est qu'il y a de la stigmatisation, il y a des discriminations. Une fois qu'on apprend que quelqu'un est porteur du VIH-Sida, c'est tout un problème. Certains n'arrivent plus à rester chez eux pour prendre leurs médicaments. Il faut donc mener une bonne communication pour réussir à changer cette euh, mentalité et faire en sorte que le VIH-Sida ne soit pas diabolisé, que ça soit une maladie comme toutes les autres, pour que le Niger puisse être au rendez-vous de zéro cas de VIH-Sida à l'horizon 2030 prévu dans les ODD. Merci, chers invités, d'avoir répondu à nos questions. Nos invités étaient Monsieur Boubou Mamoudou, il est le directeur exécutif euh, du réseau nigérien des personnes vivant avec le VIH, euh, RENIP plus euh, Niger. Monsieur Mustafa Issa Moutari, conseiller à l'ONICIDA, sida Docteur Kampaise Mariama Baïsa, chargé de programme VIH-Sida à l'Organisation mondiale de la santé, OMS Niger. Et enfin, notre quatrième invité, c'est le docteur euh, Diallo Nuhu Amadou, coordonnateur du programme national de lutte contre le sida et les hépatites. Nous disons également merci à Madame Issa Bibata, qui est la chargée de communication au niveau du programme national de lutte contre le sida et les hépatites qui nous a beaucoup assisté dans le cadre de la réalisation de ce forum. À la modération, je suis Michel Deji, à la technique Seine Isaka. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.